nek ci ginnaaw mom tamit wala euh, tv li nga xamanteni mom moom moo di ndaje bi gis ngeen ko noonu wala euh, mo ngi soga ñew le premier ministre wala gis ngeen le premier ministre mo ngi nonu Ousmane Sonko di safonté ak ñi nga xamni ñom ñoy la famille euh, omarienne di safonté ak du moins la famille donc de Amadou Mokhtar mbaw Euh, gis ngeen ko donc euh, euh, Ousmane Sonko actuellement qui est venu apporter le message du chef de l'État actuellement hors du Sénégal donc voilà gis ngeen les autorités sont déjà sur place il ne reste que donc il ne reste plus qu'à commencer la cérémonie funéraire. Donc, voilà, le Premier ministre. Bonjour. mi ñu ngi leen di nuyu monsieur premier ministre membre de la délégation gouvernementale messieurs les anciens premiers ministres, dignitaires de la République, mesdames et messieurs, de la mosquée Tcherno Seydou Tal, saluer l'ensemble des personnes présentes pour la même cause, pour la même raison, assemblée éplorée, vous me permettrez de saluer les Khalifs généraux du Sénégal qui ont envoyé des personnes les représenter. Je voudrais signaler derrière moi la famille